À tout de suite pour suivre le match. Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. de retour euh, dans le direct euh, juste avant ce match. Euh, Sedina, les équipes de Zamalek et de FAP reçoivent les derniers consignes de leur coach. On va nous mettre le 5 en jeu de, on voit les, un, corps arbitral composé de 4 personnes. Probablement qu'il y en a 3 et je ne sais pas s'ils vont mettre 4 arbitres pendant ce match à cause pour les quarts de finale. Aujourd'hui, Zamalek. Ou alors, c'est trois arbitres avec un arbitre de, de, de, remplaçant on va essayer de voir euh, quels sont les les, les, les, les, arbitres, euh, du moins les cinq enjeux de chaque équipe. Euh, je pense que d'ici un moment, la télé qui couvre la balle va nous montrer ces cinq enjeux, mais nous annonçons que ce sera un match palpitant. C'est un honneur pour chaque pays qui est présent dans cette compétition de compétir à ce niveau. Et j'espère que certains pays comme le mien, le Centrafrique, euh, l'année prochaine, dans la prochaine édition, pourra se présenter car euh, cette ligue euh, qui démarre représente de nombreux intérêts pour le développement du basketball en Afrique. Donc je salue les gens à qui est aussi un grand, grand pays où il y a énormément de, de talents. Euh, je salue euh, les gens au Congo-Brazzaville, qui est un pays aussi où il y a de nombreux talents, le Congo-Kinshasa. Et j'espère qu'ils vont faire un effort pour essayer de travailler sur la possibilité de participer aux éliminatoires de cette, euh, de cette ligue qui démarre, dont on fait le lancement cette année exclusivement à Kigali. Euh, au Rwanda, euh, Kigali d'ailleurs qui va euh, recevoir euh, dans quelques mois, à partir de la fin du mois d'août et la première semaine de septembre, l'Afro-Basket des Nations qui se jouera encore une fois là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, nous avons pu voir, voici le cinq enjeux Walter Wallace Hodge pour le Zamalek Mohamed Mohad Yasser Abdalatif, Anas Oussama Mahmoud, Eslem Salem Mohamed, Mustafa Mohamed El Ouenwaki, euh, côté camerounais Aruna, Thomas Junior, Kome, euh, Ezekaya et, et Kenneth Tansé ça va être un match euh, super euh, disputé. On voit les deux équipes qui s'approchent euh, du centre comme prévu. par contre, je me pose encore la question des arbitres parce que j'ai vu quatre arbitres. On va voir si ce sera quatre arbitres pour couvrir ce match ou alors il y a trois arbitres plus un arbitre remplaçable dans le cas si un arbitre avait un malaise ou se sentait pas bien ou il se blesserait avant ce match. Donc l'entre-deux va être lancé dans quelques secondes. L'arbitre s'approche des deux parce qu'ils vont sauter. Le match est parti. À tout à l'heure. Première possession, ce début des quarts de finale de la Basketball Africa League. Ah, il sait, il sait, il sait Changé qu'il doit tout donner. Hein. Lui qui est vraiment, vraiment euh, en deçà de, son niveau. Et je veux vous dire aussi que le FAP a un grand supporter en la personne de Joachim Noah, qui est d'origine camerounaise, on le sait, et qui est un grand supporter des forces armées police. Il aura fait du bien à l'intérieur. Oh là là, il y déjà Aruna qui a failli écraser le cercle. Il est parti de trop loin peut-être. Il lui a manqué quelques centimètres. Aruna a voulu envoyer un message d'entrée. D'accord, 32 secondes dans ce match et déjà on essaye d'en arriver là, à ses extrémités. Le cross de Marcus Thomas. Ikene qui est un de, vos chouchous, hein. on l'a vu lors du dernier match, 12 rebonds dans l'œuf offensifs, eh il avait été admirable. Et cette équipe d'Égypte aussi, hein, c'est une très très belle machine, une bonne relation entre le poste 4 euh, et le poste 5 entre Mahmoud et Kijo qui s'entendent comme l'aron en foire. Sans oublier Hodge qui est le métronome. En tout cas pour l'instant il y a une bonne agressivité. Côté force armée et police ils sont sur tous les ballons. Malheureusement, Cédric Chang est ici est en échec. Par contre, il reste une seconde, il faut s'envoyer. Ah, c'est une mauvaise gestion. Le ballon n'avait rien touché, mais finalement, le ballon est récupéré. Mais c'est un petit peu surprenant hein, que le ballon soit encore en jeu. c'est ce que demande Anas Marmoud, hein, parce que le ballon n'a jamais touché l'arceau. Exact. Hein. normalement, les deux points n'auraient pas dû être acceptés. Bon, bref, les arbitres ont toujours raison, peu importe. Peut-être qu'aussi, ils ont mieux vu que nous. Euh, attention, beaucoup d'humilité dans, dans ce jugement. Walter Hodge pour répondre. à la Smart Mood est un petit peu court. Marcus Thomas Junior. la mauvaise passe, ça hein, c'est dommage. Changi est un petit peu court, mais la la mauvaise passe. Hein. pas sur le décor. Et Lazare Adingono tout de suite qui demande à ses troupes de se calmer. La passe était pour Lazare Adingono, mais le coach n'avait pas les mains prêtes <laughs> pour shooter. Je suis sûr qu'il a encore de bons reste, il aurait pu shooter. Eh oui. Samira Bakil, Leslie Cherubin et Marmadou Diallo sont les trois arbitres. Important de le rappeler en effet. Mohamed pour Anas Marmoud qui attaque le cercle et qui est dépossédé du ballon. C'est un très très bon match côté Force Armée Police pour l'instant. Ils n'ont toujours pas euh, concédé le moindre panier. Ah oui, si je peux me permettre, Malik, alors c'est pas très euh, journalistique de vous raconter ça, mais pas mal de personnes qui, qui avec qui j'ai discuté euh, avant le match m'ont dit je vois bien les forces armées et police créer une surprise aujourd'hui. Bah, c'est pas impossible sur 40 minutes et ça se joue en un match. Tout peut arriver. On remet les compteurs à zéro. Ce qui s'est passé au premier tour s'est passé. Maintenant, il y a 40 minutes. Si le Zamalek est vraiment meilleur, le Zamalek gagnera, mais une surprise n'est pas à exclure. Et en tout cas ici, Cédric Changuet qui a été contré par la double lame Anas Mahmoud Et Moab Yasser, bien sûr, le petit prodige égyptien dont on a beaucoup parlé lundi dans le match contre le GSP. Alors, Anas Mahmoud est le meilleur rebondeur, 28 rebonds, meilleur passeur, 15 passes et meilleur contreur de l'équipe avec une dizaine de contres déjà à son actif. Ce sont des totaux, hein. ce ne sont pas des, moyennes, attention. non. non. Important de, le souligner quand même. Oh, j'aurais dit par match. Oui. <laughs> Non, non, non, mais je, suis votre complément. Je préfère préciser pour ceux qui n'auraient pas compris. On retrouve El Mekawi sur la ligne de lancer franc. Il va pas falloir trop en laisser en route. Et lancer francs, ça gagne un match ou ça fait perdre un match. Marcus Thomas avec un mismatch. Hein, il faut le jouer évidemment El Mekawi, éviter le compte d'Anas Mahmoud peut-être prendre le rebond offensif également. Ezekia qui va apporter deux points de plus. Pour l'instant, les ballons 50-50 sont remportés par cette équipe de forces armées et police. Très très bien rentré dans le match en tout cas. Mais on voit déjà à quel point la présence d'Anas Mahmoud peut gêner, peut dévier ou changer les trajectoires. Et attention, parce que c'est sanctionné derrière par Mohamed. Zamalek passe devant sur ce shoot. très très bon tir. Aruna les appuis d'Aruna, c'est dommage, c'est loupé. met Mekawi au rebond. Attention parce que c'est vrai que Aruna a eu tendance un peu à croquer hein, lors de la première phase. Il dit ça évidemment avec beaucoup d'affection. Il a été très très bon, mais il a aussi parfois un petit peu euh, monopolisé le ballon, un bah, petit peu euh, immobiliser l'attaque. Bah, une stat, une stat malheureuse justement pour Aruna. Il est le Camerounais qui perd le plus de ballons. Il est aussi le Camerounais qui touche le plus de ballons. Hein. <laughs> Le meilleur scoreur de son équipe, mais celui aussi qui perd le plus de ballons. Alors qu'on revoit la très bonne fixation de Walter Hodge et derrière Mohamed qui sanctionne longue distance. Très bel alignement segmentaire. Les appuis sont bien placés et le poignet. Avec Zamalek, de toute façon, il faut choisir son poison. Soit vous laissez l'accès au cercle et vous risquez d'avoir des paniers faciles concédés, soit vous essayez de défendre un maximum de euh, l'intérieur, mais vous libérez un petit peu la ligne à trois points. en tout cas, il y a un très joli contre là. Ah, Ezekia qui s'en laisse pas compter justement. Walter Roja 3 points, on oh, ça sur le cercle. Il faut profiter aussi de cette réussite côté camerounais. Changé qui est déjà de rebond, en hein. belle présence, en tout cas en défense. Mais on l'attend beaucoup plus en Il avait le visage très fermé en arrivant sur le, sur le parquet tout à l'heure, très concentré. Et là, il y a un très joli contre. Encore une fois, c'est l'équipe qui contre le plus, cette équipe de Zamalek dans cette compétition. Moab Yasser l'oublie à l'intérieur, c'est sanctionné immédiatement. Immédiatement. Absence de communication en défense et c'est sanctionné, c'est payé cash. E Cédric Changé qui envoie une brique. C'est dommage. Encore une fois, ça fait deux mauvaises possessions offensives là, consécutives. Mohamed Abdelatif, c'est déjà, c'est déjà un jeune qui a de l'expérience. Il oriente Changé à l'opposé de l'écran. Ça l'oblige à s'enfermer. Attention, à 3 points, ça ne rentrera pas dedans pour El Mekaoui. Marcus Thomas Junior qui va accélérer peut-être un petit peu. Il va aller jusqu'au bout, il est contré encore une fois, mais il y a déjà 3 ou 4 cons côté Zamalek. Et derrière, bien joué, les bonnes mains pour Aruna. Oh, le ballon était peut-être camerounais, hein, eh, eh. Mais il y avait même une passe hein, sur cette action encore de Thomas, il y avait une passe à faire pour Changé. On revoit ici, ah, le ballon il est camerounais quand même, j'ai l'impression. Et là on revoit El Mekaoui est deux fois, hein, deux eh fois par Ezekia. il est court. Il est court, El Mekaoui. Il est court, mais en tout cas, il arrive à prendre son propre rebond. Court et maladroit. Il faut profiter. Ça sera pas toujours le cas. On sait qu'il a un gros, gros pourcentage, El Mekaoui. Il tourne à 52% hein, sur la, compétition. 19 points, 11 rebonds hein, contre la Salé avant-hier. Ah oui, oui, non. Très, très solide. Mustapha El Mekaoui. tourne à 50%, tout pile, avant ce match. Il était à 11 sur 22, c'était pas sur la bonne ligne. Mes yeux me, trahissent. En tout cas, c'était un premier temps mort dans cette partie. Les forces armées et police sont bien rentrées dans leur match, mais ensuite, Zamalek a matché. Premier temps mort euh, demandé par l'équipe de Zamalek, euh, la marque de 7 à 4. Euh, c'est un match assez brouillon qui a commencé en voie de la maladresse des deux côtés de l'équipe des deux équipes. Probablement un peu de nervosité en ce début de match. Les gens essaient de prendre leur marque. On voit une équipe euh, des FAP euh, qui joue trop vite euh, quand, ils sont, quand l'équipe adverse est placée et qui joue trop lentement quand ils peuvent faire les contre-attaques parce qu'ils ont des ouvertures, ils peuvent faire des contre-attaques. L'équipe de Zamalek, les grands sont plus lents. Ce qu'ils devraient faire, c'est courir, dribbler parmi eux rapidement, aller au panier, protéger le ballon, monter et, et marquer des points. Et de l'autre côté, à l'intérieur, provoquer justement ce grand Anas Mahmoud, qui est un euh, il protège bien l'anneau le, le, et le pousser à faire des fautes pour leur permettre euh, par la suite de de pouvoir marquer les points comme il devrait. De l'autre côté, on voit une équipe d'Égypte qui n'arrive pas à dérouler son jeu parce que euh, les gens arrivent à contrôler euh, euh, leur déplacement. Euh, a ajouté que le pivot de, l'équipe camerounaise, numéro 32, Matou Ransom Ezekia, il est en train de très bien jouer maintenant, offensivement et défensivement. On voit qu'il est vraiment déterminé dans ces matchs-là. C'est un pivot qui a l'habitude de prendre les jump shots, mais on le voit à l'intérieur, au-dessus du cerceau maintenant. Donc ça peut, ça peut être une grande chose pour cette équipe camerounaise qui s'impose vraiment pour le premier carton. Tout à fait, Cheikh. La présence intérieure est très importante. On voit euh, les équipes qui reviennent actuellement. Donc, euh, nous allons repartir dans le direct euh, tout de suite. Dans ce premier carton, pour l'instant, les forces armées et police sont menées de trois petits points. Et on retrouve une Kenny sur la ligne de lancer France sous les yeux du coach de Zamalek, Agusti Joulbé qui était très confiant avant le début de la partie. Effectivement. Mais il a dit je respecte l'adversaire. Ah bah, il a plutôt intérêt. Hein. Il a plutôt intérêt parce que cette équipe des forces armées police nous a montré tant de belles choses dans le premier tour. Était vraiment pas verni hein, de n'avoir remporté qu'un seul match sur les trois. Ils auraient pu gagner les trois. Ça aurait été incroyable. On est d'accord. Alors, zone presse, 1, 2, 1, 1 du côté des FAP. Voilà, pour ralentir la progression du ballon. Ngarantzou a fait son apparition peut-être pour essayer de ralentir un petit peu. Et derrière, il passe à l'intérieur. 1 de 2. Oh là là là, il était très très loin. Ngarantzou qui prend son premier rebond en tout cas. Ça c'est très bien fait. En retour, en sortie de temps mort comme ça, vous mettez un système défensif en place qui a euh, le mérite de perturber l'attaque adverse. Aruna qui est en échec, il y aura une faute d'attaque. Faute d'Aziz une, poussette. C'est la troisième faute d'équipe par contre Malik attention c'est une, une ah, stat importante c'est prendre en compte effectivement Walter Hodge tout en contrôle hein, pour l'instant il ne force pas grand chose peut-être Va-t-il ici aller jusqu'au bout Sont les EP manqués Il avait fait le plus dur. Hodge. Aruna qui attaque Anas Marmoud. Attention parce qu'il va peut-être se faire oh. cueillir. il aura la faute. Le panier plus la faute derrière. C'est bien. C'est de la bonne agressivité, ça Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur du crotte. Il est allé défier le grand Anas Mahmoud et ses 2m14. Et bien lui en a pris. Il a un lancé bonus. on va ouvrir un petit peu le banc côté Zamalek. Anas Marmoud va aller se reposer un petit peu. Je suis pas sûr qu'il soit très fatigué, mais peu importe, il a deux fautes en tout cas. il, faut, gérer les fautes. Et c'est Chinemelou et Lounou hein, qui arrive, le Nigérian. Action à 3 points, c'est toujours très positif et ça permet surtout. Toujours cette zone presse, 1-2-2 de la part du FAP. Aux forces armées police, je termine ma phrase, de prendre une possession d'avance, Deux points. Ça paraît peu, et c'est toujours mieux de les avoir. Euh, ah oui, toujours. Pour soi que contre soi. Et eh bien voilà. Alors qui est sanctionné C'est Changé. C'est Changé. Changé est sanctionné. Mais ce que fait, ce que fait la défense camerounaise est très intéressant. Il coupe le jeu rapide des Égyptiens. Voilà, une sorte de défense de zone match-up. Mekawi On essaie d'avoir un joueur sur chaque ballon. Walter Hodge. Mohamed qui attaque le cercle, il va aller jusqu'au bout, main gauche. Finalement, ça prend le rebond. Ils prennent énormément de rebonds, en tout cas, cette équipe des forces armées et police pour l'instant. Là, ah, ça se va bien, ça se va bien. Aruna, un petit peu long. C'est dommage. C'était pas un mauvais shoot, ça. Ça, c'est un de ses shoots en plus. Attention, il faut fermer la ligne de fond. Et l'ONU. Et encore un rebond récupéré par les forces armées, policières. J'espère pour le Zamalek hein, que très joli Malik. Pas tout regretter. Le dribble dans le dos de Marcus Thomas, sanctionné derrière par ce shoot à 3 points d'Aruna. Très bien fait, très bien fait. Série de dribbles, la fixation. On ressort le ballon à l'opposé à 3 points et ça fait bingo. à qui on laisse le shoot à 3 points. Vous aurez remarqué par contre lui, il ne faut pas lui laisser le shoot à 3 points. Attention, on s'en tire bien là, il y avait un oubli. Beaucoup de maladresse, hein. beaucoup de maladresse du côté du Zamalek pour l'instant. Bien défendu la Hodge qui évite l'écran. Marcus Thomas, le shoot est très compliqué, ça se voit, il y a peut-être quelque chose. Hein. Je ne veux pas m'avancer. Alors Lazare est d'accord avec nous. Et remplacement. Côté FAP, Akumenzo fait son apparition. Nkené va aller se reposer un petit peu. Akumenzo Garansou, une raquette de gros et bons soldats. Ça déménage avec eux. Bah surtout qu'Ezekia est sorti pour les fautes. Hein. deux fautes pour lui déjà. Là, encore une interception. Défensivement, ils font du très bon travail. Oh là là, j'ai cru qu'il allait l'écraser ce dunk. Marcus Thomas avec la planche ils sont présents. Ils, sont, parfaits pour l'instant dans ce début de match. Ils se battent, ils sont mieux rentrés dans le match, ils se battent, ils font corps les uns avec les autres et ça c'est très intéressant pour un début. Et surtout eh ben, euh, euh, aujourd'hui c'est ce qu'on pensait euh, de cette équipe des forces armées police du Wow. On savait que c'était une équipe qui était déterminée, c'était une équipe qui était dangereuse. Euh, ça devient un cadeau empoisonné pour les Amalek. Comme je le disais, chaque euh, les la peau du Zamalek n'était pas très, très, très, euh, ça, difficile d'une certaine manière dans la compétition. Et on, le voit avec les FAP qui est venu d'un groupe euh, que j'appelle le groupe de la mort. Ouais. vraiment, c'est un grand wow que, que je vois maintenant avec cette équipe camerounaise. Hein qui vient vraiment de, de vraiment dans toutes les positions de, la balle. On a vu que quand tu rates le, dans leur ils ont automatiquement les rebonds. C'était pas le cas avec beaucoup d'équipes hein, qui donnaient la deuxième chance aux équipes. vraiment, l'équipe euh, camerounaise en force des armées et sont en train de vraiment s'imposer pour cette, ce match contre l'équipe euh, Maghreb qui sont en train de vraiment dominer, ils sont en train de vraiment dominer l'Egypte de 14 à 7 points maintenant. tout le monde est en train de très bien mettre le paquet. Ils sont assidus, tu vois qu'ils ont la passion et puis ils sont tellement passionnés en défense. Mais hein. Ben nous repartons dans le direct. Toujours énervé, toujours énervé la contre la table, Lazara Dingono. Allez, on revient au jeu. Toujours cette défense haute. 1, 2, 2. Deux minutes à jouer dans ce premier carton. Les forces armées police, police pardon, faut pour l'instant le match qu'il faut. Il faudra reproduire ça sur trois autres cartons. À trois points, Fakwadi. Un petit peu court. On prend son propre rebond en tout cas, côté ah. Zamalek, Walter Rodge avec un peu d'espace. Ah, il était dessus, il était dessus, heureusement, Thomas. Heureusement qu'ils sont un petit peu maladroits pour l'instant parce qu'ils ont vraiment des secondes chances. Oh, il était dur ce oh, shoot de Walter Hodge, très très dur, avec un petit regard hein, vers l'arbitre. <laughs> Allez, Changé continuez sur cette agressivité positive. Bien eh joué Cédric Changé voilà deux points de plus pour les FAP. Ah, il est parti sur, euh, sur son premier appui pour aller défier Fouquade. Et il réussit deux points. C'est le Cédric Changé qu'on attendait depuis trois matchs Malik. Pour l'instant, il est dans son match et on est très heureux de le voir comme ça. Le ballon va être récupéré. Il faut dire que sur l'ensemble du tournoi, il était présent défensivement, mais on sait aussi qu'il peut être un très très bon scoreur. Il va pouvoir aller se reposer. Cyril Yalé, Arnaud Comé apparaissent désormais sur le parquet. Et Solo Diabaté également, côté Zamalek, dont la cheville a été euh, a été soigné, a été revissé, on a fait les niveaux, ça a l'air de tenir. Il disait euh, tout à l'heure, il vous disait très clairement, je m'immisce, mais j'étais pas dans la conversation, il va falloir que ça tienne. Oui, il faut que ça tienne, il a été strappé, il a été soigné aussi. Oh, c'est un dur mal. Ouais. Walter avec sa patte gauche. Le rebond qui tombe dans les mains d'Amadou Aruna qui repart à tout en jambes et peut-être accélérer le rythme dans cette dernière minute. Continue à faire mal à cette équipe de Zamalek. Et Zamalek est carrément en small ball, hein, avec une ligne arrière très petite pour essayer de travailler sur la mobilité et l'adresse. Oui, ah, c'est dommage. Là, le chute totalement manqué d'Arnold Comé, il n'est pas encore chaud. Ah, on sait que le numéro 15, hein, côté Zamalek, Hussein a fait son apparition, lui qui est un très bon défenseur. Physique intéressant et vraiment un joueur qui a fait forte impression. Hein. Sur le, premier tour et encore un ballon perdu, oh, de ballons perdus. L'agressivité défensive d'Amadou Aruna. Aruna qui va profiter peut-être de l'écran de dessous pour sanctionner. Finalement, le rebond va tomber dans les mains de Fakwade. sous le Diabaté. 14 secondes à jouer dans ce premier carton. Attention, il y a peut-être un oubli de l'autre côté. Finalement, ça a bien coulissé là, bien joué de la part d'Aruna. 5 secondes. Il est très loin, sur le Diabaté. Il s'attend dedans. Quel shoot pour le Diabaté. Pas besoin de pour lui. Oh là là là là. Moloku, Diabaté. <laughs> ça permet à Zamalek de revenir un peu au contact. Il y a toujours 4 points d'écart. Euh, à cette fin de premier carton, on voit quand même toujours que cette équipe de FAP contrôle ce match. Une équipe de Zamalek assez maladroite. Il a fallu que Solo, Diabaté, euh, rentre pour faire une différence. Et là, justement, vu leur maladresse, euh, l'équipe euh, des FAP n'ont pas cru penser euh, défendre plus haut sous le Diapaté. Donc le score est 16 à 12 pour les FAP. En ce premier carton, c'est un, carton de, de, de, de défense. Euh, euh, yeah. vraiment, cette équipe Zamalek doit faire très attention avec l'équipe camerounaise Force des Armées. Parce qu'on voit vraiment que l'équipe Zamalek est à l'aise parce qu'ils n'ont pas perdu de match. L'équipe camerounaise est très, est, trop en colère. Hein. Là, on voit Joaquin Noah, l'ancien joueur hein, euh, du NBA, l'ancien star du NBA qui est dans la, salle en train de regarder le match euh, des Amalek. Euh, on le voit dans les tribunes maintenant. Euh, comme on, voit avec l'équipe camerounaise, vraiment, c'est une, une, une, prestation très, impressionnante. Tu vois, on voit, il, il met les paquets dans tous les coins du terrain, hein, défensivement et offensivement aussi. Et puis, ils, ont, ils ont, ils, trouvent la deuxième chance dans le cerceau. Vraiment, ça, c'est quelque chose à, à, admirer dans l'équipe camerounaise qui, qui joue vraiment avec beaucoup de détermination, et beaucoup de, colère quoi. Donc euh, on, voit qu'ils sont déterminés à ce match. plus Mentalement, ils sont préparés, ils ont été mieux préparés et ils veulent montrer à cette équipe des Amalek que ils ne sont pas là-bas pour s'amuser, que ces deux défaites qu'ils ont eues, on peut considérer qu'il y a eu des erreurs, donc euh, ils veulent se racheter et montrer leur meilleur jour. Et maintenant, on attend de les voir jouer pendant quatre cartons, puisque le basket, c'est quatre cartons euh, chaque. On va voir s'ils vont résister aux euh, les quatre cartons. Tout à fait. Maintenant, on rentre au deuxième carton. Exactement. 16 à 12 au deuxième carton commence maintenant. Une petite image derrière nous de Joachim Noah qui est bien présent. Vous savez, du côté de Zamalek, il y a un certain Walter Rodge Malik. Ils ont été champions deux fois en NCAA ensemble à l'époque de, Florida avec un certain Billy Donovan, avec un, certain Corey Brewer, avec alors Ford. Voilà, ça vous place un bonhomme quand même ce Walter Rodge. Mais clairement, Yannick, euh, <laughs> Yannick. Joachim Noah revient à ses origines. On sait qu'il est le fils de Yannick et lui-même le fils de Zachary qui a fait les beaux jours de Sedan en football et qui est d'origine camerounaise. Sedan. Pour une fois que je peux vous reprendre sur une prononciation. J'ai dit Sedan Vous avez Sedan. Ah bon J'ai très bien entendu. Attention Malik, c'est pour toutes les fois où vous m'avez repris. Moi j'ai dit Sedan, mais bon, si vous avez entendu ça. Je suis peut-être de mauvaise foi, attention. <laughs> en plus, j'ai entraîné pas loin de Sedan dans les Ardennes alors. Allez, se battre comme lors du premier carton. Et malheureusement, enfin, malheureusement, c'est dur de dire comme ça, mais malheureusement, ça n'a permis d'avoir que 4 points d'avance. Oui. Deux possessions, deux petites possessions. Allez, 10 secondes sur la possession. Cyril Yalé essayer de trouver du lien en attaque, de trouver un, panier facile, mais c'est difficile face à cette défense de oh, Zamalek. Ils sont mais ils prennent les rebonds à chaque fois. Ils sont en train de dominer. Là, c'est Akumenzo. Ah, ils dominent sur le premier carton. Ils avaient déjà 5 rebonds de plus au général que euh, le Zamalek. Et c'est le huitième rebond offensif déjà pour les forces armées et police. Walter Rock sur le qui a rentré un shoot à 3 points énorme juste avant le buzzer tout à l'heure. Oh là, il y a une faute. par eh contre, qui dit non. Cette Et cette défense, euh, cette défense de zone camerounaise a le mérite en tout cas de faire déjouer pour l'instant le Zamalek. On a ouvert le banc, hein, côté Zamalek un peu plus. Allez, on cherche, on cherche. tête ici, Hussein. la tête. Justement, attention, c'est une belle gâchette à trois points. Et on avait une vu ça d'ailleurs contre le match contre les pétroliers. Hein. Il avait fait 3 euh, sur 4 de tête, il me semble. À trois points, je parle, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. je suis tout dans la précision aujourd'hui. Le produit, le FAP est très très bien. Maintenant, faut voir sur la durée parce qu'ils ont parfois perdu les matchs en troisième quart-temps parce que euh, soit la fatigue, soit le manque de lucidité, mais ils font de très très belles premières mi-temps. Ça avait été criant contre la Salé notamment. Aruna qui va aller chercher une faute, voilà, provoquer des fautes, le rentrer dedans. Très agressif Aruna sur la percussion. Il va chercher le contact après cette fin de tir. Voilà. Et Fokwadi est pris par la patrouille. Alors qu'il y a un, petit fan club hein, des forces armées police derrière nous. Il n'y a pas que, que Joachim Noah. Il y en a même qui coach de la tribune. C'est vrai qu'on entend des, petits conseils, c'est vrai. Alors. Allez, plus 7 dans ce début de deuxième carton. 1 de 2, zone presse toujours. Qui ralentit forcément le jeu rapide des Égyptiens. Abdelatef pour Solo Diabaté. Il y a 3 points. Hein. Il est très très court. Et ça permet un, peut-être une contre-attaque. Il va s'arrêter à 3 points. Aruna, il est très loin, mais il va chercher une faute encore une fois. Il pris 3 dans ses on va dire ils sont bousculés. on va dire qu'il s'en tire bien parce qu'à 3 contre 2 prendre un tir comme ça il s'en sort vraiment très bien Aruna. ouais c'est surtout que la faute elle est quand même pas euh, elle est quand même pas incroyable il n'y a, pas, y a pas de sang pour l'instant. <laughs> je dis pas qu'il en faut systématiquement. Hein, non, non, non, je vous ai compris. En tout cas, lui, il se pose pas de questions. Ah, c'est dommage. Dans les C1 quand même. Allez, régler la mire sur le, dernier. Alors qu'on voit bien sûr le fautif de cette, euh, de cette faute. Le, faute. le fautif de cette faute, tiens, pourquoi pas. <laughs> Allez, 2 sur 3 quand même. Pour Aruna, Regardez, regardez cette défense haute. Voilà. Et on l'a vu hein, sur l'image. Hein, le... 2-1-2. 2-1-2 zone presse, on ferme le milieu. Voilà. Derrière nous, attention, là il va y avoir peut-être un écart. Mais finalement la passe était mal assurée. Est-ce qu'on va repasser par l'intérieur. Ça coulisse bien en défense. Ça coulisse bien en défense. il y a Une faute à l'intérieur. Ah hein, c'est dommage. On, on, rappelle hein, que dans, leur match d'ouverture pour, pour, les forces armées et police, Ngaronsu et Nkene étaient sortis pour les fautes. Et c'est là ils avaient laissé le match filer contre la S Salé. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé avec la table. Euh, est-ce qu'il y a eu un souci à la table ou est-ce que le staff du FAP avait mal géré, mal calculé